Salut les amis des Sport TV, merci encore gars de la confiance renouvelée, merci de vous aider likes, merci de vous des abonnés, merci également de baisser les commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois de partager des informations inbox sénégalais fait folle Montenegro, 14 régions du Sénégal. Rokhou Khari Gogo Khari ñi ngi leen di jaajëfal ñu nekk également ci l'hôpital yi tëdd ci la tëdd feebar yàlla na suñu borom fekk seen bopp ngeen rek jàmm ñu nekk ci kaso yi nga xam ne aussi erreur judiciaire gi ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génn leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñu dellu àdduna suñu borom xar leen àjjana fi daw si te yéexee ñu on avance ensemble dans la magie des Sport TV l'actualité on continue gars actuel de fa seen waxtaane Sadio Mané buteur hein. également ki nga xam donc qui retrouve du temps de jeu avec Bayern dominique Munich ah, aussi ki nga xam qui dit donc Paris Mendy le titulaire avec Lance le le l'air ñu fa seen ci indi une leeral laata boobu donc pour Lopez le gardien de l'Olympique de Marseille euh, day forfait qui match bi di ñëw nag ci Ligue Europa bu ak Marseille gna bi nga xam dafa gañu gañu malheureusement nak Marseille dina mujjé wut benen gardien muy deuxième gardien parce que actuellement il était en forme pour Lopez, même parfois, comme je dis vous gagnez ci match Ni ñi nga Bayern de Munich Agua Inter de Milan ils ont assuré euh, l'essentiel ñi nga xam de Bayern de dem fekki dóor ñi nga xam Galatasaray Inter Dali dalal Dali Do, Ni ñi nga xam adversaire du jour La boobu le Bayern Munich comme je dit, 3 buts à un Kingsley Coman buteur Harry Kane buteur Jamal Musiala également buteur Mauro Icardi sur penalty moo réduire donc la marque moo égaliser hein, 0 pour ñi nga xam Galatasaray moom actuellement c'est le meilleur buteur européen euh, Icardi ki nga Kingsley Coman comme je dis joueur bi il a toujours été exceptionnel actuellement il est donc homme du match sur la rencontre entre Galatasaray ak ñi nga xamné donc ñi di wa Bayern de Munich mom lañ homme du match ki nga aussi na gars yi donc Harry Kane Harry Kane avec le Bayern de Munich c'est 12 matchs gars 11 buts ak six passes décisives l'attaquant anglais bi nga xamné Harry Kane Harry Kane donc depuis boobu ñoy Bayern gars Bayern en Ligue des Champions gars au premier tour c'est presque 17 matchs hein, yo xamné dañ koy gagner chaque fois au premier tour Jamal a également avec le Bayern Dominique en Ligue des Champions depuis euh, l'année dernière. C'est 18 buts, 17 passes décisives pour le joueur allemand. Mais il aurait pu jouer pour l'Angleterre, jouer une petite catégorie avec l'Angleterre mais finalement il a choisi l'Allemagne. Mais bonne nouvelle aussi pour Bounassar. Il est entré en jeu à la 75e minute pour Dali jouer. Bounassar qui a fait donc bonne figure. Mon Dalgaï. tant de jeux mais manqué pour dellu aussi équipe nationale du Sénégal je pense que vous connaissez, il aura sa chance avant la Coupe d'Afrique qui dimanche Icardi également wax c'est le meilleur buteur actuellement européen actuellement avec 16 buts Mauro Icardi le joueur argentin Bidjugé par Paris Saint-Germain le transfert ko Rendi de manière définitive du côté de Galatasaray l'Inter de Milan avec bien entendu Lautaro Martinez mais également surtout ak ki nga xam à Kingham Alexis Sanchez ils ont fait un match exceptionnel Dali euh, Dorte donc c'est adversaire donc 2 euh, buts à 1 Alexis Sanchez buteur euh, le joueur donc euh, bi nga donc euh, jogé na Marseille Deloitte, Inter Inter le de Marseille ñëwaat franchement du côté de Marseille donc il a marqué aujourd'hui étant titulaire son premier but en Ligue des Champions cette saison qui donc qui d'Alexis Sanchez Kanokoglu également, comme j'ai dit, hein, Momit Gaye, a enchaîné les euh, matchs hein, avec ses performances. Le joueur euh, turc, Kanokoglu, man of the match. Gaye, donc l'Olnek aussi, le ramener, c'est exceptionnel. Pendant ce temps, du côté de Lens, il enchaîne les euh, matchs King Hamdana non non Palis, Mendy, le milieu de terrain, box to box. Aujourd'hui, la sentinelle de Alucissé, depuis premier Lance Gaye, reprend du temps de jeu et c'est de bon augure pour le Sénégal. Du coup, tamit laf de La bonne nouvelle aussi, c'est que nos joueurs sénégalais d'Asie, ils ont été performants. Mais d'abord, Moussa Sow démon Arabie Saoudite rend hommage ses anciens coéquipiers de l'équipe nationale du Sénégal. Moussa Sow, un véritable attaquant. Gizgen ngeen ko d'abord Al Nassr dem Sadio Mané. Après, il est passé du côté de Al Hilal pour rendre visite, bien entendu, à Khalidou Rock Koulibaly. J'aurais aimé Moukoun les Moussa Sow parce que c'est un serial killer. Et avec le Sénégal, chaque fois que le Sénégal a eu besoin de lui, il a répondu présent. Beaucoup de binationaux, il y a une génération représente le drapeau du Sénégal qui ramène également donc le duo Gaï yi MC Mané Cristiano encore buteur Sadio Mané qui a marqué aujourd'hui encore mais d'abord Cristiano Ronaldo aussi buteur et passe décisive Al Nassr qui assure l'essentiel le duo donc au stratosphérique qui est Cristiano Ronaldo il est en forme actuellement buteur et également passeur décisif CR7 qui court encore vers ses 1000 buts en carrière là Mobaï, bàyyi objectif est-ce que Dinoc atteint en tout cas il est sur une bonne dynamique et que dire du cher Mané Sadio Mané amorti de la poitrine Tek de gars yi rek ah, mu comme ni ko gars yi boy, de yaay boy waxal ci Mané bal tek mu avec Sadio Mané gaï. yi la Sadio indi ah, donc ñu dem yay yaay boy wax ci Mané dëgg bal mu avec Sadio Mané gaï. C'est c'était les informations toujours plaisir de vous servir sur eSport TV et sur Baba Show allez leen like allez abonner, on avance ensemble dañuy kaf aussi on parle de sport jàngi jëf